la fada, j'espère que vous allez bien. soir, mun gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku amannan mu na fada da ke shiraran a duka cikin jihohin Niger. To, embauché conformément au calendrier de la CENI, mercredi 2 décembre 2020, c'est la date d'ouverture des campagnes pour les élections locales, maire, de conseillers, na kanana hukumomi. To, tarihi dai ya nuna mana ke daga an buɗa wannan farfagandan in ta fara sai an yi hattara da 'yan rigingimu da ke iya biyowa baya les esprits se chauffent et il n'y a pas que les drapeaux des différents partis politiques qui s'entrechoquent dans les rues, les discours également et les intérêts. Yo Afada, à un rond-point et au cœur de la capitale, muna tare da waɗanda suke kawo su kokarin su cikin wannan tahiyar da za a yi matasa matasa musamman ma bureau des jeunes na parti politique mon Monkel Abdou Ali, il est candidat au municipal au titre du euh, Modène Modern Afa Lumana Africa. Modern Nous sommes avec Issa Mangaladima, il est le représentant des jeunes. RDR euh, Changi, il est également candidat au municipal. Bien sûr, ouais, je suis candidat au municipal, donc dans le compte de la, commune 5, ouais, bien il y a sûr. combat, Bon, mon le combat, à <laughs> ça hein. Nous sommes avec le impère Jean Mouria, hein, notamment avec Soumana Yakuba représentant des jeunes, commune 3, ça va Oui, ça va, ça va. Vous allez bien Oui, ça va, ça va, je vais bien soyez le bienvenu sur tous à la Fada. Vous le savez également, dans cette Fada, il y a la musique. C'est, elle est omniprésente dans la Fada. Nous aurons la rubrique qui sera l'affaire de Miss Dandy et la chronique d'Olivier. Olivier, ça va Olivier Ouais, ça va, Ravi. Un peu enrhumé, fatigué, mais bon, on garde la pêche quoi. Pour les auditeurs, c'est important. Ouais, ouais, ouais. Tu vois bien, on est coloré. Euh, la, Fada est arc-en-ciel l'ambiance En <laughs> fait, c'est ça. <laughs> on va parler de quoi Eh bien, dans la chronique ce soir, on va parler de football, mais pas pour parler de la mort de Maradona ou bien de Papa Dioff, mais plutôt pour parler de l'immigration et le football. Euh, bah, tu te demandes c'est quoi le rapport On se tient au courant à la fin de l'émission. D'accord, à tout de suite. Allez, bonne émission, Ravi. Merci. N'oubliez pas le numéro 806 88 à 54. Vous pouvez réagir sur nos émissions. Après le rejet de plusieurs listes des candidats aux élections municipales à Niamey, où ce parti politique sun nemi gyaran nasu wajen kotun da ke kula da harkokin zaben sun samu nasara. Ainsi, un yamé parmi les 55 partis politiques, 41 ont rectifié, dont 6 rejetés à nouveau. Des précisions apportées au studio Kalangu par Bourey Mazoul le secrétaire général du gouvernorat de Nyame. To bayan wannan aka buɗe masu hanyar zuwa et à l'heure de l'ouverture, notre reporter Habib Garba a sillonné la ville. Voici son reportage. Il était minuit hier, l'heure de l'ouverture de la campagne pour les élections locales. Dans les quartiers généraux, gèrent des partis politiques, l'ambiance est perceptible. Gêne, femmes et responsables des partis étaient au rendez-vous. D'ores et déjà, certains partis songent à encadrer leurs militants. La directrice de campagne de la région de Niamey du parti Rana, hajiya Jamilu sun gaize. Nous, on a prévu des salles d'incubation. On va recevoir les femmes en particulier parce que c'est eux qui n'ont pas cet esprit d'ouverture pour euh, avoir le courage de s'exprimer sans suivre le choix de son mari ou bien de la famille. On va les aider à être décisives dans leurs décisions. Les jeunes feront des animations, des fadas et des tournées et surtout du porte-à-porte. Pour Amma Amadou, directeur des campagnes nationales du parti Génération Doubara, cette campagne est placée sous le signe du progrès national. Il ajoute qu'il est temps de travailler pour les collectivités. Nous plaçons notre campagne sous le signe du progrès pour le Nigérien. Nous sommes certains que le progrès que nous recherchons, il sera un progrès partagé et non un progrès pour quelques-uns et la misère pour tous. Parce qu'il faut changer la gouvernance de Niamey, on va dire dans toutes nos communes, dans toutes nos villes, dans tous nos arrondissements communaux. C'est cela que nous visons. Si les États majors des partis sont bien animés, il n'en est rien de la ville de Niamey caractérisée par une certaine timidité. Pourtant, au dernier scrutin de 2016, la ville était riche en couleurs avec les drapeau des partis politiques et autres banderoles. Eh, l'ambiance dans certains QG, comment ça s'est passé pour vous, Monsieur Monkela eh, Oui, euh, bon. départ. Eh, oui, c'était le top départ. Mhm. même si euh, les uns et les autres ont, pendant un moment, hésité un peu sur euh, quand on donne la date du 2. Certains croyaient que c'est euh, à partir du 3 à 0 heure. Donc, ce qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup qui n'ont pas, qui ont pris le, le train. Ok, euh, en, route. voilà, en cours, mhm. voilà. Donc, euh, nous, chez nous, quand même, on a su esquiver tout ça là. Et nous avons commencé tôt. Donc, ça veut dire le 2 à 0 heure, nous avons débuté. Et y a, les uns et les autres se sont activés par exemple, euh, la, commission chargée du pavoisement mm. a fait son travail. Euh, ceux qui ont eu la charge de dresser des hangars et autres, eux aussi, ils ont joué leur partition. En tout, on peut dire que tout semble euh, se passer dans de bonnes conditions. Et nous avons même commencé ce qu'on appelle le porte-à-porte. porte à porte c'est-à-dire euh, aller chez l'électeur directement de B2B pour pouvoir essayer de le convaincre. Ok, c'est top alors. Nous revenons vers vous, monsieur euh, Issa Mangaladima. <laughs> Donc, avec quel état d'esprit vous allez à, à cette campagne ou à ces élections plus globalement Mu da yake dama an san mu aƙida mu menene mu 'yan demokradiyya ne. suis bin mu take haƙƙin je kuma mu muka yi kamar kowa muka bada example mai kyau Mm. babu hayaniya babu zagi babu kace na ce muka hoto kamar kowa muka sa bandirol muka sa drapon partin mu kamar yadda parti ya ce mi mm. E eh, ko animation ta yi don tule a cikin kowane biro da gare mu Jean sun taru an hoto kowa ya gwada murnar shi duk da ma cewa kusan shaka ce election akwai matsaloli da yawa akwai kurakurai da yawa a yanzu dai har zawa yau muna ladabi ga manyanmu na adawa ladabin mene ne mun yarda da su kuma mun yarda da abin da suke cewa mitin da ba mu taka maganar su to ça va bien se passer yani MPR commune 3 ya kuke shin wannan farin wannan kamfankin da ta fara kamar da su gai kamar su ma haka eh. yanda dai aka fara shi haka aka fara shi kuma les les élections passées ouais ah, je me suis fait comprendre un peu kamar menene harkokin zabe abin da shahi wani kwanciyar hankali da wasu 'yan rigingimu duka mm. yana ji ya shahi ideology ko ya shahi esprit in na gaban mu à dire kuwa le président est nos responsables qui sont là au sein du parti. Mm. Et moi, je pense bien, s'agissant des élections apaisées au Niger, et ba ne cewa kamar an baro kyawutar aihuwa mais plutôt ba ma wai au sein des partis politiques ta kamata a ah, les sensibilisations et consorts mm. au sein des structures mais plutôt l'autorité en charge notre l'autorité en charge de dika shugaban kasa bien qu'il est d'une autre, comment on appelle ça, coloration politique, hmm. mais je pense bien la question de sécurité, la question d'apaisement et, d'élection. Mhm. C'est une question pour tout le monde. Justement, Yanzo ah, Gareta, le processus électoral 2020-2021, le concept qui tourne en boucle, il vient de le mentionner là au Niger, c'est élection apaisée. Hankali. Que pensez-vous de cet objectif visé par les élections euh, Je comme Abdou. To. ya kuke ganin wannan kwanci hankalin da ake ta nema yanzu cikin wannan harkar To. kwanciyar hankali da ake nema eh, cikin election kin nan to dama eh, bata ma kai a kawo zancen kwanciyar hankali ba tun da dai eh, da mun ka sani election to ba mu cewa dai a san fursan amma dai nijar dai election dama mun san election da kwanciyar hankali mm. to donc le thème apaisé likin sauf si il y a là où il y a des problèmes si on sait que y a, tout a été mis en œuvre pour que les élections soient apaisées ni banga shaɗin da ma a kawo zancen apaisé ko non apaisé pas parce que eh, ga wanga gami dai ne muke jin élection apaisée et ça c'est dû aussi aux conditions d'organisation dès le départ qui ont été eh, en quelque sorte un peu fauchés. Donc là, eh, les gens eh, ils craignent le pire, mais bon, par la grâce de Dieu, muna cewa Niger kasa kwanciyar hankali Donc mona zaton Allah zai kai kwanciyar hankali nan gaba. Amin, vraiment. Mm. Amin. akwai wanda ke da wani karin bayani bisa kan wannan concept kin da ke en an élection election a ina jin ka ba tambayar ta eh gaskiya ne mm. eh ita kwanci hankali ba abu ne wanda za a ce ce kuce ba duk duniya in ba kwanci hankali babu ci gaba in ba kwanci hankali al'umma ba ta ci gaba kenan kwanci hankali abu ne wanda duk dan kasa mm-hmm. duk mai son kasai shi ya yi watan kwanci hankali shi sa ganin abin yema ne eh, a parti politik mahi akasari diyawa mm. sai mutane suke bin manyansu shi bin manya shi ke kawo kwanci hankali sai allah ya kawo wani yanayi duk da kurakuran da yake da akwai tambo akwai kurakurai da yawa a tahiyar demokaradiyyar niger wannan kurakuran sai to mu manya da muke da su sai suka dauki rigar girma suka sama kansu da an yi abin sai ku shiru kisa shi matashi kaman fug akwai fug eh, radio ne in ka sashi a mm. kuran ka bude bulum <laughs> sai ka shi girgir shi matashi a kullun in dai hali yana da bi gaba ba to wasu abubuwa su ta daidai Mm. amma daɗin da muka ji har aka zo wani lokaci ana ladabi ga manya ko manya su da aƙida 'yan Nijar ce in election suka zo a kira malamai a kira wannan fasto fasto na iglis e-, e-, mm. da kowa da kowa 'yan society civil a iya tsoma hannun shi mm-hmm. cikin tahiyar demokradiyya shi yasa ake da kwanci hankali mu da kwanci hankali ne muke roƙo yanzu et eh, on se retrouve juste après nigérienne nigérien mes chers compatriotes sur tout ça la fada l'ingénieur s'exprime aujourd'hui mesdames et messieurs nous allons recevoir un jeune nigérien un jeune nigérien qui a conçu une application KPB un jeune nigérien promoteur de la culture hors du Niger. Il n'est plus à présenter. Il était le président de l'association des Nigériens de Toulouse, ANT. Sur l'émission Tous à la Fada, en la rubrique L'artiste s'exprime, Ladies and Gentlemen, recevez l'artiste l'ingénieur, le président Idriss Lawali Abdou. Alors je souhaite bien évidemment la bienvenue, le concepteur en question de l'application KPB. Comment tu vas Je vais bien, Dondi, et toi Tout se passe bien, j'espère Ça va, ça va, tranquille. Alors, est-ce qu'on peut déjà parler de Idriss Lawali Abdou sur l'émission Tous à la Fada alors, Idriss Loli, c'est comme tu l'as dit, un jeune, euh, très jeune d'ailleurs, mhm. euh, nigérien euh, qui vit à Toulouse actuellement. Mhm. Donc, ingénieur logiciel de formation, formation que j'ai finalisée à Toulouse mhm. et très investi pour aider, et accompagner tous les jeunes nigériens où qu'ils soient et surtout à Toulouse, d'une part à travers l'association des Nigériens de Toulouse, donc que j'ai cofondé et dirigé pendant deux ans, depuis 2016 et euh, aussi avec euh, l'application mobile d'orientation scolaire Karatu Postbac qui a aidé euh, des milliers et des milliers de jeunes en Afrique et surtout au Niger. Mhm. Application qui est d'ailleurs reconnue parmi les 40 meilleures innovations africaines par l'Union africaine. On en parlera dans un deuxième angle de, cette application. Mais avant cela, j'aimerais te dire une chose sur cette émission, Idriss. Nous, surtout Salafadam, à travers la rubrique L'artiste s'exprime, nous faisons la promotion de la culture nigérienne. Vous, en tant que jeune Nigérien, vivant en France, plus précisément à Toulouse, qu'est-ce que vous faites pour faire la promotion de cette culture alors, dites-moi. La culture nigérienne, euh, donc, euh, comme tu l'as dit, Dondi, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, on est des ambassadeurs. Bien sûr. Tant qu'on est, qu'on sort du Niger. Mhm. Et on est en quelque sorte représentant aussi de la culture, de la culture nigérienne. Justement. Et euh, nous, ce qu'on a fait, en fait, à travers l'association des Nigériens de Toulouse, mhm. c'est d'inviter des artistes, mhm. des artistes nigériens que ce soit traditionnel, moderne ou euh, des, euh, des, rappeurs nigériens, mhm. donc euh, qui viennent en fait présenter la culture nigérienne à travers des prestations artistiques. Mhm. On a déjà eu en fait à inviter MDM Crew, qui est venu. Donc on a eu pas mal d'artistes qui sont passés en fait et justement pour booster cette culture. Et sachez que ça a eu beaucoup d'impact parce que Initialement, on ne connaissait pas vraiment le Niger localement, en tout cas à travers sa culture. Et euh, on a fait très bonne impression et beaucoup de communautés autres que les, Nigériens ont hyper apprécié et ont voulu nous rejoindre dans cette euh, promotion de la culture globale africaine, mais surtout nigérienne tout simplement. C'était donc, mesdames et messieurs, le premier angle. Vous avez une idée, bien évidemment, de ce que font les jeunes artistes, euh, n'est-ce pas, euh, nigériens ou les jeunes euh, promoteurs nigériens vivant en France. Alors, l'instant est solennel. Un message à l'endroit des autres jeunes qui reçoivent cette émission à travers nos 46 radios partenaires, à travers nos 6 télévisions partenaires, pour qu'ils puissent aussi ensemble emboîter le pas. Parce que chacun dans son coin peut changer la donne. Le message sur l'émission touche à la Fada le Niger entier t'écoute. Donc les jeunes, euh, comme je l'ai dit, on est tous ambassadeurs. On est tous ambassadeurs et si jamais vous êtes amenés à représenter votre pays, parce qu'il ne faut pas qu'on vous le demande, on ne vous dira pas, vous êtes un représentant du pays, mais vous l'êtes en fait en soi si vous êtes citoyen. Donc euh, la culture est la vôtre, dispersez-la, faites-la voir, faites-la connaître et c'est en là que le Niger se développera à l'international. La culture est au, début et à la fin de tout développement. Mm. C'était Idriss Abdelawali sur le premier angle, hein. sur sur l'émission Tout seul dans la rubrique L'artiste s'exprime. On se prendra plaisir Dieu demain à partir donc de 17h45 sur le Radio partenaire pour le deuxième angle. Le dimanche, ça serait l'émission Franco. Genre, c'était la machine. Hey. revenir ici en face de l'Académie des arts martiaux au rond-point ENAM. C'est là qu'on a installé la FADA aujourd'hui pour parler avec les jeunes des partis politiques. yaya ne suke nan suna yi cikin partikinsu cikin uh, strukturkinsu na jean mine ne suke nan ga idan a yi wannan zaben cikin kwanci hankali ban da tashi hankali to wannan fadar muna tare da mun kai la abdu ali ile kandida candidat au municipal uh, au titre du modem fa lumana Il représente les jeunes d'Ulmana à cette euh, FADA. Nous sommes avec Soumana Yakuba, représentant des jeunes, Commune 3, MPR Jamouria. Nous sommes avec Issamo Mangaladima, représentant des jeunes, RDR Tchangi. Il est également candidat au, municipal. Une autre couleur de l'arc-en-ciel de la FADA est arrivée. Jeune MPN ça va Yakuki? To, alhamdulillah <laughs> alhamdulillah alhamdulillah kampanya an buɗa a votre niveau c'est comment alhamdulillah rana ɗaya muke jira mun shirya masha Allah to hira da muke nan gai kanki iso muna nan zancen wannan election a fezekin da ake ta nema mhm. da kowa ya sa ta gaba yanzu a yi mhm. dai wannan zaben cin kwanciyar hankali ina so in san cikin structure ku menene kuke nan gai wannan matakai ne kuka dauka don da a ce dai jeune surtout jeune sun tahi cikin wannan zaben matakan da mun ka doka cikin wanga zaɓe mm. cikin mu na kishin kasa. Mm. mu ne ga shiga daji mu ne ga sa wando mu garje mu zabe mu ga inda ya kamata ai wani abu inda ya kamata ka a in akwai wani abu da kenan ga idan da a samu wannan zaben ku a wurin ku cikin kwanci hankali banda fitina dan a wurin mu kishin kasa kamar abu ya zan kamar sada don komi za mu yi ba mu barin matasa baya mm. muna nan muna aiki kamar yadda ya kamata matasa sun tashi tsaye ga kansu mm. zaɓe in ana son a yi shi lahiya ni mm-hmm. ga yadda ni gani ya kamata a ce duka birni ko daji kowa yana da karta in shi ta elektar mm. in an ta zaɓe ai zaɓe cikin kwanciyar hankali babu wani hetuna babu tashin hankali babu komi ni matsayi na eh, president national ta kishin ƙasa ta matasa mm -hmm. za ni sawa na da ƙoƙarina da duka abin da nika iya sawa cikin wanga zaɓe don domin duk inda za a zaɓe jihanmu ko ban ba ina sawa ina son sibilizan mutane mm. don domin wanga zaɓe a yi shi cikin sulhu cikin murna cikin dariya muna fata allah ya ba mai rabu sa'a wanda kuma allah ya ba kuma za mu murna za mu aiki tare da shi insha allah to kun shirya abin da zainab ce zan dawo gare ku uh, lumana mun kai la abdu to à ton niveau personnellement tu es candidat euh, au municipal et tu es avec ces jeunes tu les représentes aujourd'hui à la fada mine ne kake yi dan dai a ce dai babu tension to Eh, jeune kin dai eh, in tension kin sai magabata ne ma in magabata sun ja hankulan yara ba za a samu tashi hankali ba mm. don nu a notre niveau muna yin ko iyaka kokarin mu da kanmu kai wancan wannan abun wannan eh, ga fitina mhm, mhm. kenan muna sensibilizan yara muna ja hankalin su siyasa ba hauka bane siyasa ba hoda bane ne junawa ne for example in an zo wajen pavoisement ko ko wani eh, sa hoto mhm. in ka ga na wani yana wurin nan bata kai ka cire ba ka ce ka sa naka za ka gurguso ne ka kaho naka gaba ka sa mm. naka gaba haka nan ne ko pavoisement kin nan drapeau da wani abu ba damuwa yara mun yi sensibilizan su mun ka ce su kawo fitina sun yi aiki yadda ya kamata mhm. eh, su not supervision ba su tado hankalin mutane ba eh, alhamdulillah sa c'est biyan deja yanzu in gare ku galadima to ko kuma ya ne kin naku babban abu na farko da nake mhm. ban rabuwa da matasan mu mm. da shi in me za a yi sai na kasance ina tare da su saboda na sayan da suke shi aka ce kisan boyayye ne da makaho sai ka taba kan shi kisan ashe iya gari na ai mana magana ce cikin magana mhm, mhm. duk babban gurinmu shi aka ce siyasa an ce eh, mekir suna election an ce zaben magabata wannan magabata wallahi komi a hannun sai et eh, moi je pense bien et eh, comment cikin dai wagga ta abu guda ne mhm. vraiment parti politique duka kalkan soit le bord wanda kake ka gyara micro mhm. di di conscientiser mu kan kanmu ma ba wai ma sai manya sun gaya mana ba dukkan rikicin duniya kalkan soit kalkan soit c'est les jeunes qui vont ramasser les pots cassés manya suna can il faut le dire manya suna can son da proper affair mu muna cikin hanya muna toye toye yau a kama ka a ta yi kofuran ka ta kamata kan kanmu mu jan mu kanmu hudu ba mu ja kunnuwan kanmu da kanmu parce que il faut le dire bien qu'on est jeune mais entre parenthèses on n'est pas des bêtes <laughs> ah oui <laughs> to ina jin ki Zainab kina da karin bayani bisa kan abinda da wannan yace Sumana ba dai ina so in yi contradict in su ne ba mm. ina so in ce kamar gaba in ta lalace mm. baya kamata ta gyaru ba mu yarda mu yi kamar yannunmu ya kamata a ce in akwai harakar matasa akwai harakar canji ya kamata a ce mu siyasa ta hitan magabatanmu kenan ya mm-hmm. kamata mu kanmu tsakaninmu matasa shi zan mun yi magabatanmu mu haɗe kanunmu tsakaninmu mu yi magana guda mu zan tsintsiya mata minki ɗaya mu yi aiki don ƙasar. ƙasar dai tamu ce. Ƙasar dai duka dai tamu ce. in dai an ce Nijar ai duka duk dan Nijar ne ya shawa kenan ya kamata mu kama kanmu mu tankare sai farai magabatan mu ba su son ba mu eh, shugabanci ya kamata mu gwadi kamar muna yi mu gwadi kamar mun kai inda ya kamata a ce mu kan kanmu mun ɗauki nauyin eh, jagorancin ƙasar ga shine nake so in ce ba a ciya kullum kamar matasa sai dai a ce mu 'yan turin mota ne ya kamata a ce mu ne za mu zama cikin motan nan su ma su tura su jiya in akwai. To kun shi da abin da Zainab ta ce kan mu zama yan turin mota mu wannan mota mu shiga cikin ta mu zama a tura mu. To kan mu ci gaba da wannan hira ta mu za mu zama dan shakata kadan on va écouter la paix chantée ici par le collectif des jeunes artistes nigériens. ga ta ci gaba tare da c'est pour la paix. Toi-même, tu sais, le message, c'est pour le peuple. Tous unis autour de la paix, pas de règne et de conflit, plus de pardon, d'unité, de la tolérance, la réconciliation des fils du pays. Apporte ta pierre à l'édifice. Mmh. lafe ko mu ce lafe ba ta da baya ita ce kawai ake nema kuma a wannan fadar ma ita ce muke nan nema election a feze a yi wannan zaben cikin kwanci hankali hira da muke nan gai tare da wa'anda matasan da muka gayyato a nan ga en uh, face zakarimi da zara a nan rompon enam nan muka dora fada don mu wannan hira hira ta musamman da muke nan gai tare da su suna nan gaba mu kuma ra'ayin su bisa kan ya ne suke gani za a yi hanyoyin da ya kamata a bi don wannan zaben a yi shi lahiya a kare shi lahiya to a wannan fadar muna tare da Zainab Muhammad ko el est national nationale des jeunes MPN kishin kasa to ka gani ko abun ba dama ha nous sommes avec Soumane Yakuba représentant des jeunes commune 3 MPR Jamouria. Nous sommes avec Moukhaïl Abdou Ali, candidat au municipal. Il représente également les jeunes du Modem Faloumana. Nous sommes avec Issa Mohamed Galadima, Issa Galadima, représentant des jeunes RDR Tchangi. Nous attendons euh, jusqu'à la dernière heure euh, le OJT, le représentant des jeunes. Euh, Taraya, qui n'est pas encore arrivé, mais nous allons poursuivre cette émission qui est bientôt à sa fin. Ina so in san akwai wani saƙon da kuke so ku aika ma militankin ku inda duka suke shuraren wannan shirin namu. Mun kai Abdu Ali? Saƙon da muke ture wajen su inonka eh, su shirya su zama seren pour eh, attendre ce qui ce qui sera décidé par eh, nos leaders. To muna jin cewa muna kirawa ga shugabanni su shirya tahiyarsu. su.

kenan in wannan so ɗauki 120 jika nan ba ta rabuwa amma an kowanne 100 zai dakwa ana iya raba jika mana ko oh. mai canji nan bai zawa in ba duka mun kuma mun zama 'yan ƙasa muke kawai dole a kwanta a hankali in an bi kowane magabaci in an ba shi rigar shi in an girmama shi usmana yakuba ina so in san maganar kake da ta ƙarshe zuwa ga militankin naku bala mm. eh kan kai ma ga militan mu tun da zancen zabe eh, ne tun da lokacin namu ya kare zancen zabe ne eh. shi tout ce qui commence bien finit bien moi je pense bien zaben ga a ciyo shi ya zo normal yadda ake son shi ça demande ou bien ça dépend des conditions kin gane ko fixées par les autorités en charge de la question bombar

mu yi aiki tsakani da Allah kamar yadda muke don matsala ni ban ganin ta wurin matasa matsala wurin magabatan mu ne take Nijar ta ta shiga cikin wani hali wanda zaɓe ɗaya ne ya kai can in an yi shi tsakani da Allah ya kai can ya kwato ƙasar mu da cikin da cikin eh, mawuyacin halin da ta shiga ni ina ma matasa na MPN kishin ƙasa ko a ce ma militan in kishin ƙasa ina kira razzaɓe su hito kwansu da kwalkwatarsu ranka ta kaf su tahi Suiza, Olivier Olivier La politique est toujours Alors, dans la chronique de ce soir, nous allons parler de football. Oui, du foot dans la chronique de ce soir. Pas peu revenir sur la disparition du légendaire Diego Armando Maradona ou encore du lion sénégalais Papa Bouba Diop. Mais dans la chronique de ce soir, nous allons parler de Doudou Faye, ce jeune Sénégalais de 14 ans qui, voulant rejoindre l'Italie, a perdu la vie dans un naufrage. C'était en novembre 2020. Cette énième disparition au fond de la mer a secoué le monde entier. À cette occasion, deux acteurs de football ont, issus de deux continents différents, Europe pour l'un et l'Afrique pour l'autre, ont publié une tribune dans le journal Le Monde. Eh bien, après plusieurs lectures, Rabi, j'ai décidé de publier certaines parties avec vous. Revenons sur euh, l'âge du jeune homme disparu, 14 ans. Selon les responsables sportifs euh, sec à Dakar et Jacques Henry à Marseille, 14 ans, ce n'est pas du tout l'âge pour mourir sur un bateau aux mains de passeurs sans scrupules. Ils estiment également que Doudou rejoignait l'Italie tout simplement parce qu'on lui avait promis que son talent de footballeur allait lui ouvrir des portes. Eh bien, pour que les portes s'ouvrent, il faut d'abord affronter la mer. Et cela n'est pas permis à tout le monde. Aux jeunes rêveurs d'un paradis au-delà de l'Atlantique, les, les euh, acteurs du foot recommandent de ne pas écouter les voix malhonnêtes et intéressées qui vous expliquent à quel point votre talent est hors norme. Ensuite, quand on est jeune, Rabbi, et aussi cela vaut à tous nos auditeurs et auditrices, l'idéal est de tenir le rythme du terrain et de l'école. L'Europe du football et ses chimères, l'image du footballeur millionnaire, milliardaire, même si on peut le dire, qui voyage en avion et roule en voiture de course, masque une réalité beaucoup plus terre à terre. On ne peut pas être Sadio malheureusement. Nous tous. Également, ne jamais oublier qu'à côté du football, l'école est un socle essentiel pour qui permet d'acquérir des savoirs et des savoir-être, pour vous permettant de devenir un joueur ayant un esprit libre. Quand on est jeune, l'école devrait être pour nous une priorité, un objectif majeur quand on a 14 ans et qu'on joue au football. En cette fin d'année 2020, le monde du football retiendra que Maradona est mort à 60 ans, Papa Bouba Diop est mort à l'âge de 42 ans et Doudou Faye est mort à l'âge de 14 ans dans l'océan quand il essayait d'accomplir ses rêves. Le missionnaire Père Mauro disait La véritable histoire, c'est nous. Nous qui se noient dans la Méditerranée et qui s'égarent dans le désert du Sahara, avant même d'arriver où nous ne savons pas si l'on sera accepté pas. Je finirai cette chronique en disant la vraie histoire, Rabi, elle s'écrit au fil des années, avec des rêves, des rêves qui aboutissent. Merci à tous et bonne soirée. Merci Olivier, merci. Bon, c'est la fin de tout ça, la fada. À contre-coeur, on va se dire au revoir. Wannan hira ta mu ta ba mu dama mu shurari ra'ayin waɗannan matasan da muke tare da su ƴan mambarkin parti politique bisa kan wannan zaben da za a tahiya man kwanciyar hankalin da ake ciki kamar alzaina fiti gai dazu ita dai wannan ƙasar tamu mu ce kuma matasa ya kamata a ce mun haɗu bisa kan objectif commun mu wannan ƙasar tamu ita ce ya kamata kuma mu yi Le même arc-en-ciel qui nous protège est sur le Niger.